le forum du studio Kalamgou, le forum du studio Kalamgou, le forum du studio Kalamgou, le forum du studio Kalamgou, le forum du studio Kalamgou, le forum du studio Kalamgou, le forum du studio Kalamgou, le forum du studio Kalamgou, le forum du studio Kalamgou, le forum du studio Kalamgou, le forum du studio Kalamgou, Il est 18h15 à Niamey, c'est l'heure du forum de Studio Kalangou. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au programme de Studio Kalangou qui sont diffusés en direct par 38 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook Studio Kalangou, notre site internet www.sidiokalangou.org et sur WhatsApp. Aujourd'hui, le forum de Studio Kalangou a pour thème leadership des jeunes au Niger, défis et difficultés et avancées. Il est difficile de nier le fait qu'une bonne partie des étudiants ait cette folle envie de créer sa propre entreprise. Mais chose est de constater que beaucoup hésitent encore à se lancer. Les obstacles majeurs au passage à l'acte étant notamment le manque de liquidité de départ ou le manque d'idées innovantes. Avec nos invités, nous allons chercher à comprendre les défis de leadership dans l'entrepreneuriat des jeunes au Niger, les difficultés et les avancées enregistrées par le Niger dans le domaine. Pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir Maman Kakatouda, responsable jeunesse alternative espace citoyen qui a bénéficié du programme du département américain IVLP. Il a été récemment désigné par le ministère français des Affaires étrangères pour participer au programme d'invitation des personnalités et venir Pipa. Maman Kakatouda, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Mokhtar. En ligne, nous avons Madame Seydou Nafisa Hamidou, promotrice d'une unité de production d'aliments pour bétail dénommée Entreprise Salma. Madame Seydou Nafisa Hamidou, bonsoir. Et Ibrahim Boubacar, jeune leader qui a lui aussi bénéficié du programme Young African Leaders Initiative Yali Niger 2018. Ibrahim Boubacar, bonsoir. Bonsoir Mokhtar. Au microphone, Mokhtar Hamadou. Avant d'aborder cette thématique, veuillez d'abord présenter vos structures respectives. Maman Kakatouda, allez-y. Merci, Monsieur Mokhtar. Euh, alors, je suis Maman Kakatouda. Vous avez rappelé tout à l'heure en introduction, je suis euh, au niveau de l'association alternative Espace Citoyen. Depuis 2014, je suis euh, responsable en charge des questions de la jeunesse, Donc, je suis sur un projet dénommé Promotion de la participation politique des jeunes. Donc, nous encourageons les jeunes à aller sur l'arène euh, politique, ne serait-ce que euh, au niveau vraiment des collectivités. je suis quand même bénéficiaire du programme IVLP, International Visitor Leadership Program, qui est un programme du département d'État américain qui consiste euh, à amener des jeunes, ça peut être des hommes politiques, ça peut être des hommes du monde associatif, ça peut être des hommes qui sont dans l'entrepreneuriat, qui sont dans le secteur vraiment économique. Donc c'est toute une pléthore de gens qui partent découvrir un peu l'organisation politique et institutionnelle au niveau américain, qui partent également pour apprendre les meilleurs modèles du système américain pour pouvoir prendre ce qui est bon et de laisser notamment ce qui n'est pas bien. Également, récemment, j'étais également euh, à Paris, en France, dans le cadre du programme qu'on appelle le PIPA, le programme euh, international pour les personnalités d'avenir. C'est aussi un programme vraiment du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères qui est aussi un programme inspiré par le programme américain, parce que le programme américain, lui, date des années 1940. Et ça fait énorme. Hein. Le programme, euh, quand vous prenez américain, c'est quand même pas mal de chefs d'État français, que par exemple le président Sarkozy, le président Valéry Giscard d'Estaing, étaient IVLP, étaient Yali comme nous. Quand vous prenez le premier ministre Alain Juppé, le premier ministre Jospin et autres, ils étaient également Yali, ils étaient IVLP. Bon, au plan africain, quand vous prenez également le président Burkina, plusieurs autres personnalités, hein, les quatre coins du monde, qui était aussi. Donc ce ne sont pas des programmes tels que les gens pensent. Tout le monde peut bénéficier de ce programme. Et la particularité, c'est que ce n'est pas un programme où tu viens, par exemple, IVLP n'est pas un programme où tu viens postuler Yali, vous savez, on fait une voiture, on postule plusieurs candidatures. IVLP, c'est vraiment au niveau des ambassades des États-Unis, c'est eux-mêmes qui identifient en fonction de potentiel, de l'engagement de, la personne. Tu es là, tu ne sais même pas que ce peut-être que ce programme existe ou tu as entendu que ce programme existe, mais on sait à travers toute une démarche de coups de fil et autres qu'on vous identifie. Déjà, le fait d'être identifié eh, suppose que tu as quand même des atouts. Eh, quand vous savez des Américains, quand ils voient que vous avez des atouts, vous avez vraiment des connaissances, mais ils viennent vers vous parce qu'il ne faut pas que les gens voient que nous qui partons, c'est nous seulement qui partons des cours, mais ils découvrent énormément de choses avec nous sur nos pays, sur nos fonctionnements, sur nos institutions, sur nos associations. Donc, quand vous prenez le programme PIPA, ça c'est récent parce que ça date des années 1989, donc le programme PIPA a quelques 25 ans aujourd'hui, mais c'est aussi un programme calqué, un programme copié un peu du programme américain qui donne aussi la possibilité à tous ces acteurs de revenir certainement que nous allons revenir euh, dans le studio Exactement. en détail. Exactement. Madame Seydou Nafisa Hamidou, allez-y. Oui, bonjour, c'est mon nom, euh, comme vous l'avez dit, Nafisa Hamidou. Euh, je suis entrepreneur, j'ai une unité de production qui m'a détail à base de produits locaux. Je suis sage-femme de formation, ça qui n'a rien à voir avec ce que j'ai fait. Par passion je me suis lancée dans, la, <laughs> dans, les aliments de détail. Ça fait maintenant 4, ans, bientôt de 5 ans. Voilà. Ibrahim Boubacar, allez-y. Et je suis Ibrahim Boubacar euh, je suis juriste d'affaires, consultant au niveau de 43 Niger, coach et formateur en prise de parole en public et leadership. Donc ça tombe à pic, nous allons parler de leadership tout à l'heure. Nous sommes des formateurs, nous avons eu à former des centaines, sinon des milliers de jeunes, d'entrepreneurs, d'experts et autres dans les domaines là qu'ils ont besoin pour pouvoir atteindre leurs objectifs. J'ai participé évidemment au programme Yali, le Young African Leader Initiative, qui, contrairement au IVLP et PIPA, qui existe déjà bien de décennies, n'existe qu'à partir du, du mandat de Barack Obama, qui est un programme présidentiel donc, euh, des États-Unis et qui est dirigé par le département d'État, mis en œuvre par une organisation non gouvernementale américaine, qui permet aux participants d'aller découvrir, d'aller apprendre, surtout aussi d'être en réseau avec les autres Africains. C'est pratiquement tous les pays africains subsahariens qui participent à ce programme. Donc, au-delà de la au-delà des États-Unis qu'on découvre, au-delà de toutes les connaissances qu'on peut avoir, c'est aussi des liens forts qui sont tissés entre les différents participants, puisque on a coutume de les dire et on le dit même, on le dira même demain que l'avenir du monde c'est l'Afrique. Il faut donc que les Africains arrivent à travailler en synergie. Et à travers ces programmes, on découvre des personnes merveilleuses, des personnes qui sont actives dans la vie quotidienne et qui leur souci premier c'est surtout comment faire améliorer la vie des autres. est-il aujourd'hui facile d'entreprendre au Niger Oui et non en même temps. Oui parce que, euh, non, j'allais dire, moi, il faut dire que moi, je ne suis pas un entrepreneur d'entrée de jeu parce que c'est important de... Moi, je suis un activiste, juriste activiste. Euh, je travaille un peu sur les questions de la gouvernance, sur la question de la démocratie, de l'état de droit. Je ne suis pas trop dans le domaine de l'entrepreneur, mais je suis avec des jeunes entrepreneurs. J'encourage les jeunes à entreprendre parce que... Vous avez quand même eu à discuter avec Absolument. eux non, non, non, sur leur engagement, mm. les facilités, les obstacles. Tout à fait. Ce n'est pas parce que moi je ne suis pas entrepreneur ou je n'entreprends pas que je vais dire que je ne connais pas ou je ne, je ne suis pas d'accord avec ça. Je suis toujours avec des jeunes et d'ailleurs même au niveau de l'association alternative, nous encourageons beaucoup les jeunes à entreprendre parce qu'aujourd'hui, quand vous dites que oui, vous avez fini vos études et que vous allez attendre vraiment l'intérêt intégration à la fonction publique pour travailler. Et bien, ma foi, vous allez encore rester pendant des années avec eux. Et il n'y a pas quelque chose de plus frustrant que des personnes ou des jeunes gens qui ont des diplômes en main qui n'arrivent pas à accéder au marché du travail. c'est pourquoi nous avons. Voyez-vous un pays comme les États-Unis Le programme IVLP m'a permis de découvrir que près de 96% des personnes travaillent dans le secteur privé. Je dis bien 96 des personnes. Et même les 4% si vous voyez, qui sont dans le secteur public, et ce sont des forces de défense et de sécurité, un peu la gendarmerie, la défense, un peu la police, c'est un peu... Et plus Donc, en un mot, selon vous, le développement d'un pays repose sur euh, le secteur privé En grande partie, en tout cas en grande partie, le développement d'un pays repose sur vraiment l'existence des entreprises de qualité, des entreprises qui répondent aux normes, qui répondent vraiment aux exigences du moment. Parce que euh, une chose n'est pas d'avoir aussi des entreprises, une chose aussi d'avoir des entreprises qui répondent vraiment sur le marché et sur le besoin euh, existant. Donc c'est pourquoi nous nous encourageons vraiment les jeunes à entrer. Et c'est facile de le faire parce que de plus en plus on a vu avec euh, le programme par exemple ANSI, voyez-vous, avec le, concours Itakara et, et tout ce qui s'ensuit, vraiment des jeunes gens postulent. Et vous voyez, par exemple, au niveau de toutes les régions, les candidatures sont annoncées. Et récemment, j'ai vu euh, au 18 décembre à Zender où le président Issoufou a même euh, donné des prix jusqu'à à, 20 millions. Sur les télé, j'ai vu des gens qui ont gagné 20 millions, d'autres 10 millions, d'autres 5 millions. Mais je pense que cela encourage de plus en plus. Et c'est toute une agence qui a été créée, qui ainsi, qui est en train vraiment d'encourager même les femmes rurales, celles qui sont plus loin aujourd'hui avec le système de télé-irrigation et tout ce qui s'ensuit, Actuellement, voyez-vous, il y a le Sahel mm. euh, Niger qui est entre le, oui, le, Sahel, voilà. Niger. Donc j'ai vu beaucoup de choses et les gens sont de plus en plus en train d'aller. C'est vrai que c'est un peu difficile parce que souvent il y a des exigences. Il faut d'abord avoir vraiment un plan d'affaires, un plan de ceci. Vraiment, je ne maîtrise pas bien. Donc c'est vraiment un milieu où il y a ces exigences et souvent, malheureusement, les jeunes gens, les gens pensent que oui, ils vont gagner sans rien fournir. Aujourd'hui, dans ce monde de compétition, il faut absolument montrer que tu as as la capacité d'apporter un plus, tu as la capacité de réfléchir et de concevoir quelque chose. Mais personne n'est là pour donner de l'argent facile à qui que ce soit. Et il faut que les gens comprennent, tout celui qui a un projet viable, un projet vendable, eh bien, tu n'as même pas besoin d'aller sur les marchés. C'est les gens eux-mêmes qui viendront vendre parce que tu as quelque chose d'innovant, parce que tu veux faire avancer sur un domaine bien précis. Donc, il revient à nous jeunes d'être créatifs, d'avoir des esprits innovants, avoir des choses qui sont vendables et je pense que les partenaires c'est intéressant eux-mêmes à le faire. Il y a de l'autre côté des obstacles, oui, parce que, par exemple, quand nous prenons un ministère comme celui de l'entrepreneuriat des jeunes, qui est normalement un ministère qui doit encourager les jeunes à entreprendre. Le ministère à Qui doit avoir un budget colossal. Absolument, mais voyez-vous, quand on a fait toute cette question d'analyse budgétaire et autres, il était ressorti que le ministère a moins de 100 millions. Un ministère dit de l'entrepreneuriat des jeunes dans un pays qui a fort potentiel jeune, où plus de 50% des populations constituent des jeunes aujourd'hui qui viennent avec euh, des, diplômes sur le marché et qu'on dise que même le ministère de titel, qui est le ministère de l'entrepreneuriat de jeunes, n'a qu'un budget de 100 millions, mais avec 100 millions, vous allez gérer votre fonctionnement, votre salaire, et votre euh, investissement, ou bien qu'est-ce que vous allez faire dans l'investissement Et 96 millions ou 800 millions, ça fait à peine la ligne budgétaire inscrite, par exemple, au ministère de la Défense pour l'achat des journaux. Juste l'abonnement en journaux du ministère de la Défense fait à lui seul à peu près 80 millions. Donc ça oh. montre que vraiment... Déséquilibre il y a énorme. Non, ben, écoute, le déséquilibre, l'écart est très énorme et c'est pourquoi vraiment, moi je suis convaincu, je suis de ceux qui pensent que un travail bien élaboré, un travail bien conçu, un travail bien réfléchi a toujours des mérites d'être vraiment euh, soutenu. Et c'est pourquoi il revient à nous, en tout cas, de faire un dépassement de soi, d'être créatif et de donner le meilleur de soi-même. Et je suis persuadé qu'il y aura toujours, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau régional ou même au niveau international, il y aura toujours des partenaires qui vont voir ce plus, qui vont voir en toi quelqu'un, voilà, qui, si on l'appuie un tout petit peu, il peut aller de l'avant et ça peut marcher. Madame Seydou Nafis Hamidou, est-il aujourd'hui facile d'entreprendre au Niger <laughs> Ça me fait rire quand les gens me disent que c'est facile rien n'est facile dans la vie. Hein. Il faut y croire d'abord. Ce que je dis toujours aux jeunes qui viennent me rendre visite au niveau de mon entreprise, il faut aimer d'abord ce que vous faites. L'entrepreneuriat au Niger, c'est pas facile. Ça fait 5 ans d'expérience que j'ai. Sincèrement, je l'avoue, c'est très, très compliqué. Parce que notre environnement, environnement, le milieu, le contexte dans lequel nous sommes, l'entrepreneuriat, je ne sais pas, c'est mal vu ou bien il n'y a pas assez d'aide. En fait, c'est ça le problème. Et aussi, euh, le Niger, nous avons un problème de mentalité. Quand tu, mets euh, un produit sur le marché, un nouveau produit, un produit local qui est fait localement. Même l'État, qui à peine, parce que moi, si je prends mon exemple, je préfère donner mon propre exemple. Quand j'ai été au niveau du ministère, ministère de le ministère de l'Élevage, pour présenter mon aliment d'État, je vous jure, il y a des dirigeants qui m'ont ricané au nez. Donc il y a 4 ans plus tôt, ils me disent non, c'est n'importe quoi, que non, ton éditeur ne peut pas faire une grande capacité, on ne peut pas, voilà, voilà, ce que tu fais. De plus. Je dis non, ce que je fais, ça vient de l'INRA. Parce que actuellement, ma formule, c'est une formule qui a été faite par l'État. Donc l'INRA, c'est l'État qui a été financé par la FAO. Donc il y a le problème de non-confiance aux entrepreneurs du Niger. Vous voyez, il faut que nos mentalités changent. Il ne faut pas penser que non, non, un multinational qui vient pour lui, c'est bon. Pour le simple citoyen que tu es, un simple, simple, un entrepreneur qui est là, toi, tu, te casses la tête, tu fais quelque choses on te dit que non, non, c'est pas bon. Sincèrement, c'est très difficile. On te décourage, hein. je vous jure, l'environnement, l'État te décourage. Au niveau des impôts, c'est très difficile. Un entrepreneur qui commence déjà la première année en t'amène des impôts, on te dit de payer, on te dit Bien que maintenant, il y a des améliorations qui sont, en train de se faire, mais juste là, il y a beaucoup de choses à, revoir. Actuellement, je suis au Sahel, 2019. Ça fait 4 ans que je suis au Sahel, c'est vrai, avec le, la, la foi, je me fais connaître vous jure, dans ma deuxième année de participation, il y a des jurys qui étaient venus visiter mon, mon stand, qui m'ont ricané aussi dit non, Il a fallu que je me discute avec un de, des membres du team. Non, pourquoi vous vous moquez des, des gens Pourquoi vous vous moquez de ce que les gens font j'ai gagné des pieds à l'international. J'ai été aux États-Unis comme mes deux frères au niveau du programme AVLP. J'ai été aux États-Unis pendant un mois, j'ai voyagé, j'ai vu comment des choses se sont pas aux États-Unis, au monde, de la sous-région, à Dakar, à Bamako, comment les choses se passent là-bas C'est différent avec le Niger. Le Niger, c'est que le gouvernement ne croit pas. Aujourd'hui, je suis au Sahel, je peux gagner un prix. Il y a mon frère, mon frère, qui a parlé des prix. On donne des prix. C'est pas moi. moment je dis non, ne me donnez pas de prix. Quand je fais mes aliments, prenez. C'est ça qui nous manque. Nos produits, on ne veut pas consommer nos propres produits. Vous voyez, c'est difficile d'entreprendre temps sans avoir des moyens. Si vous regardez au niveau de, de la facilité que les jeunes veulent aussi, y a un projet, mais qui n'a pas de financement, tu vas attendre à ce qu'on te donne des millions pour commencer. Non, moi j'ai commencé euh, avec une petite, machine et j'ai acheté dans mes propres fonds. Je circule dans mes propres fonds. Je que non, il ne faut pas attendre. Il y a des gens aussi qui ont eu la chance d'avoir euh, l'aide de l'État, des prix qu'ils ont eu, mais ils sont où Ils ne foutent rien. Ils ont, été récompensés par ce qu'ils ont présenté, mais actuellement, ils ne foutent rien. Vous voyez, ça ne sert à rien d'avoir des prix. On me donne des prix et après, on ne prend pas mes produits. C'est ce que je dis. Ne, me donnez pas vos prix, mais achetez mes, produits. Je me bats, on se bat. Les entrepreneurs, ne se pas parce que les gens n'aiment pas entreprendre. Madame Seydou Nafissa Hamidou, y a-t-il des risques liés à l'entrepreneuriat des jeunes je ne sais pas aujourd'hui ou demain tu vas mourir ou pas. L'entrepreneuriat aussi, il faut prendre des risques, il faut oser. Et ce que là je dis aux gens, oser. Moi j'ai osé. Je vous jure, quand j'avais commencé en 2014, même mes parents disaient que non, non. Mon propre papa disait que non, je suis folle. Maintenant, avec euh, l'amour, je leur ai montré que j'aime mon travail, j'aime mon entreprise, j'aime mon entrepreneuriat. Et puis les gens me disent, non, tu te mets dans la saleté, patati, patata. Il faut, il faut oser ce que j'ai dis oser, ça ne sert à Tu tombes aujourd'hui, demain tu te relèves. Donc il faut tomber. Moi j'ai fait combien J'ai failli fermer mon entreprise au moins à trois reprises. Ah à la quatrième reprise, ma maman me dit, ça continue. Moi j'ai confiance en toi. Maintenant, avant je faisais une tonne d'eau. Maintenant mon entreprise euh, me fait au moins 10 tonnes. Une tonne, ça fait 45. Vous voyez, maintenant je fais 10 tonnes d'eau. Imagine, 10 fois 40 sacs. Imagine, imaginez-vous. Actuellement, à la foire, j'ai presque vendu plus de 10 ans d'aliments bétail. Les gens étaient étonnés, effectivement, parce que j'ai osé. En tant que femme, j'ai osé. Le Niger, c'est un pays Il y a beaucoup de choses à refaire. Il y a beaucoup de choses, concernant des choses extraordinaires. Quand vous venez, vous faites un tour à la foire, vous allez voir. Et dans la transformation, il n'y a que des femmes. Vous voyez, dans la transformation au Niger, 90% sont des femmes. Donc, il faut oser. Il ne faut pas dire que non, non, non, j'attends qu'un partenaire me donne. Non, non, il faut oser. Ibrahim Boubacara, comment avez-vous pu bénéficier du programme Yali ah, le programme Yali tout à l'heure, euh, Maman a expliqué que c'était euh, une candidature en ligne. Donc j'ai bénéficié évidemment parce que j'avais postulé en ligne en remplissant le dossier en anglais et après soumission de mon dossier, ça a été retenu. Il faut préciser que au Niger, euh, dans la procédure de sélection pour le programme Yali, vous avez à peu près environ 4 à 6 phases pour la procédure de sélection. La première étape, c'est évidemment la candidature en ligne où vous avez environ partout en Afrique hein, plus de 70 000 personnes qui ont postulé et qu'à la fin, il y a 700 qui ont été retenus. J'avais postulé d'abord au niveau de cette phase et ensuite, il y a eu ce qu'on appelle la phase euh, de test oral et écrit où on on va vérifier le niveau d'anglais de ceux qui prétendent pour participer à ce programme. Donc, après quoi, au Niger, parce que c'est un test que je précise, qui n'existe pas un peu partout, mais qui s'est fait au Niger parce que souvent il y a certains qui présentent des dossiers qui ne sont pas leurs dossiers. Donc, après ce test-là, il y a ce qu'on appelle l'interview qui s'est fait partout en Afrique, partout où les jeunes africains participent, postulent à ce programme. Et c'est après cette interview-là que nous avons été retenus. Donc, oui, j'ai appris le programme Yali à travers les différentes présentations qui se font à la télé et autres. Et ensuite, j'ai décidé de postuler et j'ai été finalement retenu. Ibrahim Boubacar, qu'as-tu appris au Yali je pense que nous avions fait au moins six semaines de formation intensive. Je ne pense pas si six minutes que vous allez me donner me <laughs> permettront de répondre à cette question. Mais fondamentalement, on apprend beaucoup de choses. Déjà, moi, je suis parti avec euh, une façon de voir les choses. Je suis parti avec une façon d'agir. Je suis parti avec déjà des propres compétences. Je précise que le Yali n'a pas pour objectif de créer des leaders. Le Yali identifie des leaders et décide de mettre à la disposition de ces leaders-là les, ressources dont ils ont besoin, surtout en matière de formation, en matière de compétences, en matière de connaissances et des networks pour qu'ils puissent continuer à avoir plus d'impact dans leur activité. Ce que j'ai appris, c'est évidemment le servant leadership que nous avons tous, tous les Yali que j'ai rencontrés, les centaines de Yali que j'ai rencontrés là-bas. On découvre que ce sont des personnes qui aiment servir les autres. Ce sont des personnes qui se soucient de la vie et du devenir de l'autre et du continent africain. Donc j'ai beaucoup aimé cela. Mais mieux encore, dans le programme, on a apprend un peu les différentes techniques de leadership, comment est-ce qu'il faut gérer des groupes, comment est-ce qu'il faut participer à des discussions de groupe, comment est-ce qu'on identifie les problèmes et arrive à résoudre ces problèmes. Aussi, eh, à travers le YALI, on, développe un grand carnet d'adresses où on a toujours attaché et contact avec les personnalités américaines, toutes les grandes personnalités américaines que vous pouvez imaginer dans l'État où vous êtes et même à Washington. Vous avez accès à ces personnes et des personnes avec qui vous allez continuer à avoir plus d'impact dans vos activités. Donc j'ai vraiment appris beaucoup de choses et dans le Yali qui je ne pense pas que je peux faire le CR en l'espace de 6 minutes ici. Au-delà des avantages, y a-t-il des enseignements tirés du programme Yali les enseignements, c'est déjà de, de, voir que de l'autre côté du monde, qu'il y a les États-Unis qui se soucient un peu du devenir de l'Afrique en tant que pays africain, qu'est-ce que nous, au niveau de nos États, qu'est-ce que nous sommes en train de faire pour qu'il puisse y avoir cette synergie. Vous voyez, on nous a parlé de l'unité africaine, on nous a parlé de l'Union africaine, on nous parle de beaucoup de choses quant à l'Afrique et quant à son union pour le développement. Mais malheureusement, on constate qu'il a fallu les États-Unis qui puissent réunir les jeunes Africains à l'extérieur de l'Afrique. Je pense que là, c'est un premier enseignement qui doit pouvoir interpeller tous les États africains pour qu'il puisse y avoir des programmes du genre qui vont réunir des jeunes africains et qui vont essayer d'être en synergie, travailler ensemble pour avoir plus d'impact dans leurs différentes activités et surtout pour le devenir de l'Afrique. Notre enseignement, c'est vraiment au niveau de la culture américaine, au niveau des valeurs américaines, où là-bas, on voit que euh, le plus important, c'est le travail, c'est le hard work, c'est vraiment le travail. Le travail paye. Il y a une sorte de justice sociale. Alors, le paradoxe dans nos États, c'est que nous, nous, voyons toujours les États-Unis, l'Occident et de façon général et comme un autre monde et que comme des blancs. On les voit comme ça et on pense que le blanc n'est pas fondamentalement honnête et tout ceci. Mais malheureusement, on voit que là-bas aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle la justice sociale je crois que c'est un enseignement que j'ai vraiment tiré de ce programme, que je l'ai tiré avant même d'aller au Yali, parce que ici, moi, avec tous les engagements que j'ai, avec toutes mes prises de position, avec toutes les activités que j'ai eu à mener, si c'était l'État du Niger qui devait s'occuper des sélections, moi, c'était pas garanti, c'était même pas possible que qu'on me sélectionne. Donc, déjà à ce niveau, moi, j'ai respecté la culture américaine, les valeurs américaines. Ce sont des enseignements que nous devons apprendre. Un peuple peut, même dans la mécréance, se développer lorsqu'il y a la justice sociale. Mais un peuple, quel que soit le degré de sa foi, quelle que soit sa religion, quelles que soient ses croyances, tant qu'il n'y a pas, tant qu'il n'y a, pas de justice sociale, tant que c'est l'injustice qui règne, il est impossible d'avoir un développement. Donc, au niveau même des valeurs américaines, moi, j'ai appris beaucoup de choses, des enseignements que je pense qu'en tant qu'Africain, en tant que Nigérien surtout, parce que j'étais là-bas et dans le bus, tout le monde était ensemble et un Mauricien m'appelle, il me dit, il était derrière moi, j'étais devant, tout le monde entendait, il m'appelle, il me dit, eh, Ibrahima, quand j'étais à l'université, notre professeur d'économie me disait que le Niger, nous disait plutôt que le Niger est le pays où le plus difficile à vivre parce que c'est le dernier pays au monde. Enfin, il m'interpelle. Ça fait mal. Je suis choqué, je suis nigérien. Mais est-ce qu'il a tort est-ce que le Niger n'est pas le dernier Alors, moi, je ne suis pas dans des considérations où on pense que le PNUD peut classer des États parce que le PNUD a quelque chose contre. C'est faux. Le Niger, le PNUD, aujourd'hui, si on pense que le PNUD est une possession et une propriété de l'Occident, S'ils ont quelque chose à faire, ce n'est pas contre le Niger, c'est peut-être contre la Chine ou la Russie, mais pas le Niger. Mais malheureusement, le constat est que le Niger est le dernier. Et ça veut dire que donc tous les problèmes qui existent dans le monde peuvent exister au Niger. Et c'est donc ça donne plus d'opportunités aux jeunes d'entreprendre parce que plus il y a des problèmes, au lieu de les, de les regarder, et c'est aussi des enseignements qu'il faut tirer du Yali et des différents programmes, au lieu de regarder les problèmes comme des problèmes, il faut les regarder plutôt comme des opportunités à entreprendre. Maman Kakatouda, comment devenir leader en étant encore jeune C'est vraiment une grande question. écoutez, le leader, ça ne se décrète pas. Hein. On n'est pas leader, on, le, le devient. Donc il faut que les gens comprennent. Et puis, il ne suffit pas de s'appeler un jeune leader pour que tu sois leader. Souvent, on est leader sans savoir qu'on est leader. Souvent, on se dit leader alors qu'on ne l'est pas véritablement. Donc c'est important de le savoir. Mais je pense qu'un leader, c'est quand même quelqu'un qui a un sens élevé d'écoute un sens élevé de responsabilité. Un leader, c'est quelqu'un qui a cet esprit en lui, et à chaque fois, comment faire en sorte que des défis puissent être transformés en opportunités pour pouvoir évoluer. Un leader, c'est quelqu'un qui inculque des valeurs aux autres. Quand il parle, au moins, il est en train d'être écouté. Et quand il donne un mot d'ordre, il est suivi de manière certainement positive. Donc vraiment, on ne peut pas dire que voilà de manière très claire quelqu'un, mais le leader, c'est vraiment quelqu'un qui communique bien, quelqu'un que ce soit lui seul, que ce soit dans un groupe, quand il intervient, on sait que vraiment c'est quelqu'un qui a un sens aigu de responsabilité et les gens ont envie de le découvrir, les gens ont envie de l'écouter. Quand souvent il donne un mot d'ordre, les gens le suivent vraiment de manière très responsable et très consciente. Et même vous prenez sur les, juste si on se réduit sur les réseaux sociaux par exemple, il nous arrive de nous voyager, que ce soit au niveau, à l'intérieur du pays, que ce soit dans la sous-région ou même à l'international, mais les gens ont toujours envie de, découvrir mais qui est finalement ce monsieur qu'on suit, par exemple, sur les réseaux sociaux, avec qui on apprend énormément de choses, avec qui souvent nous sommes informés. Les gens ont envie de découvrir. Tu vois, de la même façon dont quand nous nous retrouvons face à des personnalités, nous aimerions faire des selfies, prendre des images, et c'est de cette même façon, il nous arrive de voir à l'intérieur les gens venir, ah, ils ont envie de prendre des images avec nous parce que tout simplement, ils estiment en nous vraiment des modèles. Ils estiment en nous des gens qui essayent de faire autant que c'est peur pour faire avancer. Ce n'est pas seulement dans l'entrepreneuriat qu'il y a. Les jeunes, tu peux être dans le milieu politique, ça peut être dans le milieu de l'entrepreneuriat des jeunes, ça peut être dans le milieu activiste dans lequel moi je suis. Parce que là également, il faut que du haut de ces studios, que nous puissions lancer cet appel. Parce que nous, nous avons pris notre courage, hein, mais nous avons pris le risque de dire, oui, nous n'entraînons pas, mais nous avons décidé vraiment de critiquer et de critiquer de manière positive. Quand on critique, c'est vraiment pour faire avancer les choses. Donc nous prenons ce risque-là et nous avons besoin d'être également accompagnés. Nous avons besoin d'être soutenus. Ce n'est pas parce que nous nous entraînons, parce que ce que nous faisons, une entreprise ne peut être viable et vivable que dans un milieu sécurisé, dans un milieu ou dans un espace où il y a la gouvernance, dans un milieu où l'état de droit est respecté, dans un milieu où la justice sociale dont Ibrahim parle existe. Partout là où il y a l'injustice, rien ne peut marcher. Euh, rien ne peut prospérer. Rien ne peut prospérer. Et c'est pourquoi vraiment il faut absolument que les gens acceptent les critiques que nous faisons. C'est vraiment pour avancer que les gens acceptent aussi de soutenir les efforts que nous déployons. Parce que tant qu'il n'y a pas la démocratie, tant qu'il n'y a pas euh, la gouvernance, et nous allons tous périr, que ce soit les entrepreneurs, que ce soit les hommes politiques, que ce soit le monde économique, que ce soit nous, les autres activistes, nous allons tous. Et c'est pourquoi nous sommes plus que jamais engagés vraiment à travailler dans ce sens. Madame Seydou Nafis Hamidou, comment faire pour capitaliser toutes euh, ces expériences acquises il y a beaucoup de choses à refaire. Il y a beaucoup de choses. par exemple, parmi les jeunes ou parmi les femmes, ceux qui ont réussi ne sont pas nombreux. Au fait, ils ne sont pas vraiment très nombreux au moins, au moins, on a un point de départ. On a des par exemple. On a des Parce que moi, par exemple, quand je regarde côté féminin, je regarde beaucoup les leaders du Sahel, Niger, les, vous voyez, c'est des femmes qui, se sont fait euh, imposées imposer, c'est des femmes modèles. Vous voyez, donc, euh, il y a beaucoup de choses à, à, faire. Maintenant, au moins, nous avons un point de départ. Pourquoi ne pas prendre ce point de départ et puis euh, avancer, aider les autres à être comme ces, les femmes que j'ai viens juste de, citer par exemple. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire au niveau L'entrepreneuriat au niveau c'est timide, hein. je vous jure, c'est très très très très timide et mes prédécesseurs ont eu à le dire, l'injustice. Il y a vraiment d'injustice, c'est très compliqué. Ça, moi, mon gros souci, c'est que je c'est l'impôt. Un hein, jeune entrepreneur qui vient de, de commencer, on te dit, il faut payer ceci, il faut payer cela. C'est très, très compliqué. Ça n'encourage pas. Au niveau des financements, les gens n'ont pas accès au financement. Vous voyez, il y a vraiment des, des choses. Vous voulez dire que les banques ne vous accompagnent pas pas comme nous, nous, voulons. Parce que moi, comme, chaque fois que je donne mon, mon exemple, quand j'avais commencé, la première année, j'étais parti voir euh, deux banques de, ici à Niamey, ils m'ont dit non, que ce que vous faites, eh ben écoutez, c'est n'importe quoi. Voilà, ils m'ont complètement découragé. Vous voyez, on se fait que nous décourager. Les gens, au début de l'entreprise, le PME, eh, les banques ne viennent pas s'encourager. Non, les banques, banques préfèrent donner l'argent à des gens qui sont déjà loin, qui sont déjà, déjà riches, et vont leur donner. Maintenant, je vous jure, même hier, c'est une des banques ici, maintenant, ils m'ont poussé à ouvrir un compte chez eux parce qu'ils ont vu que maintenant ma capacité de production a augmenté. Je ne suis pas connaître moi-même, vous voyez, au début, personne ne voulait, mais maintenant, c'est eux-mêmes qui viennent vers moi. Pourquoi Parce que j'ai osé. Vous voyez, les, banques ne sont pas là pour les PME. Je, ça, je l'ai vu. Hein. je le dis haut et fort, les banques ne sont pas là pour les PME. Non. Même si les microfinances, quand on parle au niveau des microfinances, il y a des montants qu'on donne aux PME. Euh, une PME qui veut plus de, par exemple, 10, 15, 20 millions, je vous jure, on ne vous donne pas on donne 1, 2, 3 millions, alors que toi, c'est 2 millions, c'est 5, c'est 10 millions, par exemple, on te donne 1 million. Qu'est-ce que tu vas faire avec 1 million Il y a beaucoup de choses à voir. Nos gouvernements, sincèrement, nos gouvernements doivent revoir les choses. Il faut qu'on ait vraiment, Ibrahim, je ne sais pas si M. Ibrahim qui a dit, euh, par exemple, qu'on a hein, les autres États, les autres États, ils aident l'entrepreneuriat des jeunes. Ils aident vraiment l'entreprise, que ce soit jeune, que ce soit les petites entreprises, ils aident l'entrepreneuriat, ils encouragent l'entrepreneuriat. Ils ont créé des cadres, des cadres favorables entre elles, pour entre entreprendre. Donc il le faut nous aussi, aussi au Niger, il le faut, il le faut aussi pour nous. Madame Seydou Nafis Amidou, quelles sont vos perspectives quand j'avais commencé à 2014, je faisais une tonne de jour. Maintenant, je suis à 10 tonnes de jour. Maintenant, dans deux ans, ce que je compte faire, c'est avoir des machines qui vont me faire une tonne heure ou bien deux tonnes heure. Et suis déjà en cours, je suis en train de, de regarder. Et maintenant que les banques viennent chez moi pour peut-être maintenant les banques sont, ils se disent maintenant ils peuvent, peuvent me financer. Au lieu que des multinationales viennent installer des, des, usines d'aliments de taille ici au Niger. pourquoi pas nous Moi je me dis je suis capable de le faire et je le ferai, Inch'Allah. je dis je le ferai. Dans peu de temps, moi aussi je vais créer mon usine d'aliments de taille ici, moderne au Niger et à base de produits locaux. Je fais, moi ce que je fais, je fais la promotion des produits locaux. Je travaille avec les associations des d'éleveurs, je travaille avec les agriculteurs. vous c'est une pas le hein, travaille depuis au niveau des des agriculteurs. Vous voyez, le euh, tuto n'est pas plutôt de coton, autant pour moi. le gao que j'utilise, c'est au niveau des, des, agriculteurs ou bien au niveau des, associations. Je travaille beaucoup, beaucoup avec les agriculteurs, Je travaille avec plus de presque 1000 personnes au niveau des, localités de Maradi, Torodi. Vous voyez, alors que les multinationales, ils disent, ils s'en foutent. L'argent, il repart avec. Ils s'en foutent. L'argent, il repart avec. Donc, je vous dis, mes perspectives, c'est d'agrandir, jusqu'à euh, à dans deux ans, être vraiment une entreprise locale, une grande entreprise locale et qui va transporter. Déjà, j'ai commencé à exporter hein, au niveau de Dakar, au niveau de Burkina Faso et au niveau de Bamako pourquoi ne pas continuer Maman Kakatouda, euh, quels sont les défis du Niger en matière de leadership dans l'entrepreneuriat des jeunes ben, Écoutez, les défis premier, c'est d'abord euh, euh, la capacité à nous, les jeunes, vraiment de s'affirmer sur le terrain. Parce que c'est de nous que l'impulsion peut venir. Il faut absolument que nous nous occupions du terrain. Il faut absolument que nous nous affirmions à travers des projets innovants. les gens qui sont, par exemple, dans le département d'économie, des gens qui sont dans le département d'agronomie. Il y a toujours des techniques aujourd'hui. Vous savez, le monde aussi évolue en fonction du contexte régional international. Aujourd'hui, un pays comme le Niger, quand vous prenez, de manière cyclique confronté à la, question de la crise alimentaire, à la question de la sécurité alimentaire et tout ce qui s'ensuit, avec euh, ce nombre important de réfugiés, de déplacés et tout ce qui s'ensuit. Donc les partenaires extérieurs regardent cela et se disent mais comment faire en sorte que, au lieu de transporter toujours des aides alimentaires d'ailleurs, qu'au niveau local, qu'on ait la capacité vraiment de subvenir aux besoins de ces gens. Et c'est pourquoi tous ceux qui sont aujourd'hui dans le domaine, par exemple, de l'agriculture, de l'agroalimentaire, un peu de trucs, les partenaires sont plus beaucoup regardants sur, sur, ces questions. Donc, si réellement nous voulons que les choses changent, le politique change, il faut que nous-mêmes nous changions. D'abord, il faut que nous soyons innovants, il faut que nous osions, comme Madame, Madame de Seydou, Madame vient de parce qu'elle a osé, et aujourd'hui, que c'est les autres même qui sont en train de s'ouvrir vers elle, alors qu'au début, elle a fait plusieurs pas et les gens sont réticents, les banques vont toujours te demander des garanties, il faut qu'ils raisonnent en termes de business. Donc aujourd'hui, si nous voulons que le politique également étoffe le milieu, par exemple quand il y a des réformes institutionnelles, qu'il y ait des réformes au niveau des textes, hein, pour pouvoir comment faire en sorte qu'aujourd'hui qu'on dise qu'à partir de 2020, le ministère de l'entrepreneuriat des jeunes ou le ministère de la jeunesse ait un budget par exemple plus élevé que ça et qu'on dégage vraiment des sommes qui vont directement à l'endroit des entrepreneurs, indépendamment de toute autre considération. Parce que là également, voyez-vous, il y a des gens qui se décrètent être des jeunes leaders. Ils se disent des jeunes leaders, des filles leaders, des femmes leaders. Et vraiment, ils étoffent le milieu de telle sorte que moi, je pense que de la même façon dont les, Américains font avec les de la même façon dont les Français font, nous avons été sélectionnés. Ce n'est pas parce que nous sommes plus intelligents que les autres. Ce n'est pas parce que nous sommes plus actifs que les autres. Ce n'est pas parce que nous sommes plus entreprenants que les autres. Même parce que nous avons osé dire certaines choses et nous avons osé apporter notre. C'est comme ça nous avons été identifiés. Ces gens ne vont jamais vous identifier. Donc c'est pourquoi il faut d'abord que nous nous donnions la main entre nous jeunes, que des hypocrisies cessent. Parce que aujourd'hui, un jeune qui essaie de se développer ou qui essaie de développer une, euh, initiative, demain, c'est les mêmes gens qui sont avec qui qui retournent aujourd'hui pour les degrés Et ça, ce sont des esprits mesquins comme ça. Il faut absolument que nous Et c'est comme ça que les politiques nous divisent souvent pour mieux régner. Et c'est dans la main, dans la main qu'on. Il faut qu'on se serre les mains. On a coutume de dire que l'union fait la force. L'union fait la force. Et c'est comme ça qu'on peut faire en sorte que vraiment que les choses changent. Mais si toutefois nous allons penser que oui, une petite minorité a accès vraiment à la rente, a accès vraiment à petit financement, et ça ne vous dit rien, vous allez croiser les bras à Niamey dans les grandes villes, et la grande majorité est là-bas avec quelles que soient les idées innovantes qu'ils ont, et ils ne progressent pas. Et aujourd'hui, il y aura un jour où c'est les gens de l'intérieur qui vont descendre. Aujourd'hui, ils veulent lutter contre la migration. Il viendra un moment où le monde urbain sera totalement submergé par les gens, parce que les gens ne vont pas, parce qu'il s'agit quand même des ressources publiques Aujourd'hui, quand c'est quoi 2 milliards, 3 milliards pour encourager le projet de ça ne représente rien du tout dans un budget de plus de 2 000 milliards de mon point de vue. Si tel est que oui, il faut par exemple qu'il y ait de l'emploi à 200 000 jeunes, à 300 000 jeunes, 250 000, tout ce qui s'ensuit, il faut que les gens, les jeunes voient réellement. Si les gens ont des projets, ne serait-ce que pour démarrer avec 500 000, 1 million, à quoi est-ce que le... Et aussi souvent que les jeunes eux-mêmes sont responsables. On a vu aussi dans plusieurs rencontres ou des jeunes gens à qui on a donné un million, 2 millions pour vraiment booster leur programme ou leur projet qui malheureusement partent se marier, qui partent aussi également faire des choses élémentaires. Et vous savez, c'est vrai que dans toute dynamique, il y a toujours des gens qui déshonorent un peu, entre guillemets, les choses. On prend malheureusement ces quelques exemples pour dire que oui, mais ben, on a donné déjà Je dire qu'il y a toujours des brebis galeuses. Il y a toujours des brebis, galeuses. Mais ce n'est pas une mauvaise chose, hein, se marier. C'est une bonne chose dans notre milieu. Mais encore que, oui, si tu as les moyens, il y a détournement de, de, de moyens, parce que détournement d'objectifs. Cet argent vous a été destiné pour pouvoir booster votre entreprise. Ça n'a pas été destiné pour pouvoir vraiment... Euh, il y a même des programmes au niveau de l'ANPE de 40 millions qui a disparu comme ça. Pourquoi Parce que quand les évaluateurs étaient venus, tous les gens auprès de qui, les jeunes auprès de qui ils étaient partis pour voir qu'est-ce qu'ils étaient devenus un an, deux ans après, il s'est trouvé que c'est des gens qui se sont mariés, d'autres qui sont partis en exode, de, telle sorte que cela ne les a pas encouragés à, voilà, trois ou cinq personnes en train de remettre en cause vraiment euh, une, énorme occasion que d'autres jeunes en bénéficient. Donc ils sont responsables de certaines choses qui arrivent je pense qu'il faut qu'on change de mentalité si c'est elle que vraiment nous voulons avancer ou nous voulons apporter notre... Il faut que nous soyons sérieux nous-mêmes il faut que tout celui qui nous regarde, qu'on voit des modèles. Un leader, c'est vraiment un exemple type. Quelqu'un, quand on voit dans les actes quotidiens qu'il pose, dans les démarches, dans sa communication, dans sa façon de faire, c'est vraiment un. Chacun a envie de le suivre. Et non qu'on te dise que leader aujourd'hui, qu'on te donne un petit moyen et que tu disparais avec. Et tu gâtes vraiment la suite aux autres. Et c'est dommage. Ibrahim Aboubakar, quelle est votre ambition pour le Niger tout comme Amman et tout comme vous et tout comme tout Nigérien qui aime le Niger. Moi, mes ambitions, c'est ce que je rêve de voir du Niger. C'est de voir un Niger qui change, c'est de voir un Niger qui n'a plus la même image. En effet, aujourd'hui, nous, on nous raconte hein, un peu partout que le Niger a changé de visage, que le Niger a changé d'image. Mais malheureusement, le constat est que ce changement de visage, ce changement d'image, à mon sens et dans la vision que j'ai et dans ce que je constate, n'est pas du tout positif parce que ce qu'on voit, c'est qu'à longueur de journée et toute l'année, quand on croise les Nigériens, jeunes ou non, des personnes âgées ou d'âge supérieur, toute personne qu'on croise, c'est que la personne pleure. Ce sont les larmes, ce sont les visages émaciés. Ce sont des personnes qui disent que ça ne va pas. Ce sont des personnes qui ne vivent pas bien. On dit que le, Nigérien, le Niger est le dernier pays au monde. On dit que 80% des Nigériens vivent de moins d'un dollar par jour. Alors, vivre de moins d'un dollar par jour, ça veut dire quoi Ça veut dire que le repas du matin, du petit déjeuner, le déjeuner et le dîner, mais pas que ça. Ça veut dire que tout ce qu'on est censé dépenser en journée, donc la santé, le déplacement, la communication et tout ceci, ça fait moins d'un dollar. Lorsqu'on vous dit que 80% d'une population vit comme ça, alors qu'est-ce qu'on peut chercher Qu'est-ce qu'on doit faire Je crois que c'est pourquoi il faut se poser les questions. Nous, récemment, cette semaine même, nous avons initié une activité qu'on appelle causerie citoyenne qui consiste à aller partout, rencontrer les jeunes, discuter avec les jeunes, poser les questions, les vrais problèmes que le Nigérien et le Niger vivent poser ces questions et demander aux jeunes leur responsabilité dans cette situation. Parce que généralement, nous avons tendance à, déplacer le curseur et à déplacer la responsabilité. Il est vrai que certains ont des responsabilités. Il est vrai que c'est l'État qui donne le souffle. Il est vrai que c'est l'État qui définit tous les cadres, le contenu à l'éducation, le matériel au niveau éducatif, les bâtiments au niveau du système éducatif, la santé. Il est vrai que c'est l'État qui fait tout. Mais lorsque l'État n'arrive pas à atteindre ses objectifs, lorsque l'État ne fait pas ce pourquoi l'État existe même. Le minimum n'est pas fait, en tout cas pour permettre aux Nigériens d'avoir un saut qualitatif dans la vie quotidienne. Alors qu'est-ce que nous, nous avons, nous qui sommes censés être les bénéficiaires de tous les programmes, de toutes les politiques de développement et de gouvernance, des programmes, des programmes de société Qu'est-ce que nous, nous avons comme responsabilité La première responsabilité, nous, nous pensons que c'est d'abord de se poser des questions. C'est d'abord de savoir pourquoi ça ne va pas, puisque ça ne va pas, puisque tout le monde est d'accord que tout le monde pleure. Pourquoi ça ne va pas Nous nous posons ces questions et ensuite, comment il faut faire Maman, il est engagé, ça fait longtemps, ce n'est pas aujourd'hui qu'il a commencé son engagement. C'est parce que longtemps, il a compris que ça ne va pas. Et il a compris que ça ne peut pas changer lorsqu'il reste chez lui. Il s'est engagé. Madame Seydou, qui est au téléphone, elle aussi, elle a compris que ça ne va pas au Niger. Quand on décide d'entreprendre, ce n'est pas que pour faire du gain, ce n'est pas que pour avoir des bénéfices. C'est parce qu'on se soucie de l'environnement, c'est parce qu'on se soucie des autres. On crée au moins de l'emploi, on crée de la richesse. Donc tout ceci, là, ils se sont engagés. Et c'est ce que nous voulons arriver à créer, faire en sorte que tous les jeunes Nigériens puissent savoir que chaque génération a une mission. En 1960, il y avait une génération qui nous a amené l'indépendance. En 1990, il y a une génération qui nous a amené le multipartisme et la liberté d'expression qui nous permet aujourd'hui de nous réunir et de parler de tout et de tout ce qui va mal. Mais aujourd'hui, nous aussi, nous avons une responsabilité, une grande responsabilité d'ailleurs. C'est que tout tarde, rien ne bouge, rien ne marche au Niger. Notre responsabilité, évidemment, c'est de faire en sorte que nous puissions libérer le Niger de l'otage dans lequel il se trouve, parce que le Niger, nous pensons, qu'a été pris en otage par un système qui n'existe pas que ces dernières années, mais depuis longtemps, et que tous les jeunes doivent s'engager dans ce sens. Je pense que le Nigérien sera un Nigérien de qualité, que le Nigérien sera un citoyen de qualité, que le Nigérien vivra mieux dans l'avenir, et que pour cela, pour arriver à cet idéal, il faut que tous les Nigériens, jeunes, personnes d'âge supérieur ou moins jeunes, que tout le monde puisse s'engager pour que cela change et pour que tout le monde aussi puisse comprendre qu'il ne s'agit ne s'agit pas de moi, il s'agit du Niger. Quel Niger je veux laisser aux enfants qui vont venir Quel Niger je veux léguer Quelle image moi j'aurai de parents pour mes enfants C'est dire cela aussi au niveau de l'entrepreneuriat pour que les jeunes puissent comprendre que l'État ne peut pas embaucher tout le monde. Ce n'est pas possible. Je pense que l'État doit fournir des efforts et que si l'État ne le fait pas, il appartient aux jeunes de se lever, de se réveiller pour interpeller à chaque fois toutes les autorités qui ont des responsabilités à quelque niveau que ce soit pour que ces autorités puissent mettre en œuvre ce pourquoi ils sont là et on n'a pas à féliciter quelqu'un parce qu'il a fait ce qu'il doit faire. L'ensemble de nos invités s'accordent à reconnaître la nécessité de soutenir véritablement le leadership et l'entrepreneuriat jeunes afin qu'ils puissent à leur tour développer l'esprit de patriotisme, de promouvoir la bonne citoyenneté, de contribuer au changement positif des comportements des populations des huit régions du Niger. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Nous avons eu le plaisir de recevoir Mamana Kakatouda, responsable jeunesse à Alternative Espace Citoyen qui a bénéficié du programme du département américain IVLP. Il a aussi récemment euh, été désigné par le ministère français des Affaires étrangères pour participer au programme euh, d'invitation des personnalités d'avenir PIPA. En ligne, nous avions eu Madame euh, Sedouna Fissa Hamidou, promotrice d'une unité de production d'aliments pour bétail dénommée Entreprise Salma, et Ibrahim Boubacar, jeune leader qui a lui aussi bénéficié du programme Young African Leaders Initiative Yali Niger 2018. Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme programme du studio qui vous parviennent grâce à nos 38 radios partenaires. Merci, au revoir.